Suleiman Doy ne va pas répondre à, Matandoy, c'est nous-mêmes qui vont répondre à Matandoy. Euh, Matandoy, il était avec, là avec le président du conseil départemental. Il est même actuellement contractuel au niveau du conseil départemental. En même temps étant dans la cabinet du ministre euh, Ismaël Major Fall. Donc nous, le comprenons, nous comprenons sa position. Mais, ce qu'il a dit, c'est vraiment, euh, des, des, vraiment des mensonges. C'est mensongère, ces propos. Parce que nous, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est là depuis. Et en 2019, quelqu'un nous rejoint, notre, mentor nous rejoint. Et pour, faire ses, pour, sentir ses louanges, il veut faire sa promotion en vraiment euh, culpabiliser le gars qui, est là, avec, qui était là avec nous depuis, euh, depuis qu'on était dans l'opposition. Maintenant, nous sommes au pouvoir et nous dirigeons ce pays depuis 2012. Donc, quand quelqu'un nous rejoint avec vraiment une expérience intellectuelle est différente d'une expérience politique. Suleiman Doy, il est, il est politique, il est social, il assiste les populations et il nous comprend. Parce qu'il est là, il habite à Rufisque, il n'a jamais quitté Rufisque. Nous, on a besoin de gagner, d'avoir une coalition gagnante. Et cette coalition gagnante doit être dirigée par un leadership. Ce leadership politique, nous ne le voyons que sur Suleiman Doy. On ne voit pas quelqu'un d'autre ce qu'on veut, c'est tout simplement faire gagner la coalition Beno Bokoyakar, plus particulièrement la paire. On a toujours gagné tous les combats qu'on a menés ici à Rufisque. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement le président Macky les autorités de Benno Bokoyakar Benno comprennent que Souleymane Doïs c'est notre candidat. Ce n'est pas moi qui le dis, mais tous les responsables de Beno Bokoyakar tous les responsables de l'APR, plus particulièrement de Djokul, ont décidé que c'est Suleiman qui va diriger la liste lors des élections locales, Inch'Allah, à venir. Matar le problème de Souleymane moi, président présent la réunion 2016 c'est derby, derby. Nous 5 millions. Fait que mu ngi extérieur bi que Farba nga ko mobilisation bi mu ak sama chauffeur mu 5 millions. mu war a jot département bi 5 millions yi mu dëxëñ ko si poosam ba bi président ñëwee gisul kenn waxu Souleymane Matanda waxul kenn mobilisation Souleymane laaj ko xaalis boobu mu saaga ko mooy tàggoo max Souleymane Ndoye ne daan nag dañ bëgg mu noppi te dafa war a noppi koo xamante ne bi nga fi nekkee maguy nga fi nekk ak lu ñu la jox nga jël ka Souleymane du ko tontu nun noo koy tontu ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall avant mu falu te dégg naa mu wax ne pres Souleymane Ndoye ñu ma ñu la ekki loxaam ne moon candidat ndëgam Ismaïla Madior moo mën a yëkki loxaam moom mi nga fekk mu ñu fekk ñu ba mu ñor mu ñëw isama ñun ñi nga xamante ne noo fal président Macky Sall ñun ñoo fal président ma Sall àndax Souleymane Ndoye mu def ci dooleem def ci alalam tabaski gi rek Souleymane jox na 36 millions te Souleymane nga xamante ne Macky Sall soxnaa réew mi deuxième tour dafa topp leader yi ku nekk mu ne la watal watalal PDS kon kooku fan la far ñu koy jox 250 ko amul wax yooyu mu doon am si Souleymane moom la amatul te na ka fay salaire ba fi mu toog Souleymane nga fay salaire. élection yi di ñëw Souleymane Ndoye mooy sunu candidat mairie ville ndegam Ismaïla Madior Fall mi nga xamante ne fekkul togg gi fekkul coono bi ñun ñun ñoo accueillir président Macky Sall jardin public ñoo ko fa accueillir Falka premier tour. fal ka deuxième tour te incha allah pour troisième tour bu yàlla defee li gën bëgg nañ kaa joxaat réew mi mu àggal ay projet ndëgam Ismaël Madior mi fekkewul loolu lépp moo mën a tàllal loxo Isama Souleymane mi nga xamante ne ba ñuy dugg fi la ko fekk ba ñuy taxani fi fekk ba ñuy taal fi la ko fekk ba ñuy préfère ba fi la ko fekk